forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio forum du studio 18h passé de 15 minutes en Niamey. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou. L'actualité de la semaine a été marquée par le réaménagement technique du gouvernement intervenu hier soir avec l'entrée de Diop Mamadou qui remplace Massaoudou Hassoumi au ministère nigérien des Finances. L'actualité, c'est aussi la publication mardi de l'indice de perception de la corruption dans le monde avec un classement De 180 pays. Autre fait, c'est la recrudescence des attaques armées contre des civils et des forces de sécurité dans les régions de Tilaberi et d'Ifa, mais aussi l'explosion hier à Agadez d'un engin qui a tué un enfant et blessé une dizaine d'autres, sans oublier qu'un véhicule militaire a sauté hier sur un autre explosif sur l'axe Ayuru-Inates. Pour analyser cette actualité, j'ai le plaisir de recevoir Boukar Sedikali, journaliste et analyste politique. Boukar Sedikali, bonsoir. Bonsoir. Issa Madougou de la radio et télévision en Ténéré. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir, Nous attendons d'un moment à l'autre Garé Amadou du quotidien La Nation. Bienvenue à vous tous euh, dans le forum euh, de la presse que nous ouvrons par euh, ce décret signé hier par le président de la République, Issoufou Mahamadou portant un réaménagement technique du gouvernement. Ainsi, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, Diop Mamadou est nommé ministre des Finances à remplacement du Massaoudou Assoumi. Boukar Sedikali, avez-vous euh, des précisions sur les raisons de cette rectification qui surprend les observateurs de la scène politique euh, nigérienne Bonsoir, euh, bonsoir à tous et à toutes. moi, je pense que ce n'est pas une surprise parce que beaucoup de Nigériens attendent déjà un remaniement ministériel parce que ça fait maintenant environ deux ans Sauf que ce n'est pas un, un remaniement oui, Justement, euh, c'est-à-dire que ce n'est pas un remaniement intégral, comme on dit, mais quand même, euh, c'est un remaniement partiel du gouvernement. Mais en ce qui concerne euh, le départ de Massaoudou, moi, je ne dirais pas que c'est une surprise, parce que ça procède certainement. je ne suis pas dans le secret du président de la République. Mais je pense très bien que si aujourd'hui le chef de l'État a pris cette décision, en euh, remplaçant Massaoudou par Diop, euh, il sait ce qu'il fait. D'abord, euh, personnellement, j'ai essayé d'analyser et je retiens deux choses. D'abord, Massaoudou, c'est quelqu'un qui est venu pour une mission très précise. Euh, vous savez, à un moment donné, le ministère des Finances est devenu, en quelque sorte, excusez-moi le terme, un secteur vraiment bordélique où tout se passe. Mais euh, aujourd'hui, euh, nul ne peut vraiment, en tout cas, prouver le contraire, qu'il a mis de l'ordre, grâce non seulement à sa détermination, mais à son courage, mais aussi à sa loyauté vis-à-vis du président de la République. Ça, il faut le reconnaître quand même. Voyez-vous, Massaoudou, c'est quelqu'un, c'est vrai, il est très incisif dans ses propos, euh, souvent les Nigériens le prennent comme un homme euh, très extrémiste, mais en ce qui concerne la loyauté de de vis-à-vis vraiment du chef de l'État, ça n'a jamais vraiment, en tout cas, prouvé aucune faille. Donc, aujourd'hui, il a été remplacé par un technocrate vraiment pur, M. Diop. Euh, tout le monde le sait, les Nigériens le savent. D'ailleurs, depuis longtemps, même si vous vous rappelez, depuis le temps de l'AFC, quand il y a eu vraiment en tout cas, un remaniement ministériel, beaucoup de gens parlaient de ce Diop sans pour autant le connaître. Diop, c'est un cadre vraiment, en tout cas, qui a servi vraiment, en tout cas, à l'échelle internationale. Donc, euh, beaucoup de Nigériens le savent, il a, il a brillé à l'extérieur. C'est un très bon technocrate. Et le chef de l'État aujourd'hui, au moment actuel, a besoin vraiment de quelqu'un comme ça pour euh, relever les défis. Parce que nous sommes quand même avant tout euh, dans une phase où tous les partenaires techniques et financiers sont en train de renégocier vraiment, en tout cas, certains accords avec le Niger. Parce que euh, beaucoup de gens disent d'ailleurs qu'à partir de janvier 2019, il y a beaucoup des échéances qui ont commencé vraiment, en tout cas, à courir. Mais il se trouve que notre pays n'est pas aussi prêt. Donc, il va falloir aussi. il va falloir vraiment relancer la machine. Deuxièmement, et Massaoudou, euh, son départ, en quelque sorte, moi, je trouve ça assez positif parce qu'il ne faut pas. Massaoudou, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, la rumeur dit que vraiment, en tout cas, c'est euh, un potentiel candidat. Soit si c'est un potentiel candidat, ce n'est pas bon euh, de le laisser perdurer à un poste aussi sensible que le ministère des Finances. Il faut à un moment donné le mettre vraiment en de côté et afin que vraiment en tout cas les Nigériens puissent vraiment en tout cas se faire une idée de ce que lui il a fait. Mais de l'autre côté aussi, Mansaoudou, euh, je ne pense pas que euh, comme le dit euh, vraiment une certaine rumeur, que le chef de l'État s'est débarrassé. Non, beaucoup de gens seront surpris. Parce que euh, déjà, la rumeur dit qu'il sera vraiment en tout cas nommé à la tête de la Cour de Compte. C'est une rumeur, c'est vrai, mais ça vaut ce que ça veut, parce que dans ce pays, il n'y a pas de rumeur. Mais si aujourd'hui Massaoud est nommé à la tête de la Cour de Compte, moi je pense que c'est la consécration politique pour lui. C'est la consécration et vraiment, en tout cas, puisque la Cour de compte, c'est une institution fédératrice. Donc, ça, veut dire que les Nigériens ne sont pas au bout de leur surprise Non, pas du tout et la presse aussi, et tout le monde n'est pas au bout de sa surprise. Et d'ailleurs, beaucoup de gens avertis savent que. Euh, d'ailleurs, euh, vous savez, le président Issoufou, vous le connaissez très bien. Issoufou ne s'est jamais débarrassé de façon comme ça, aussi simple, de ses amis. C'est quelqu'un à qui les Nigériens reconnaissent une qualité c'est qu'il est très rattaché à ses amis, à ses relations. Massaoudou fait partie de club des amis qui a fondé le PNDS. Vous comprenez Et C'est pas pour rien. Aujourd'hui, vous pensez que Massaoudou, le chef de l'État, va se débarrasser de jeter en parce que quelque part, il y a d'autres, ça fait le bonheur politique de certains. Non, non, non, non. Moi, je ne pense pas, je ne suis pas convaincu. White and see. White and see, comme disent les Anglais, Issa Madougou, euh, le ministre Hassou Massaoudou a un, euh, a un poids certain de l'appareil au pouvoir. Pensez-vous que euh, c'est pour euh, le nommer ailleurs que euh, ce fut le cas pour d'autres poids lourds du parti au pouvoir pendant la première législature ben, Écoutez, je crois bien qu'il faut essayer de voir un peu <clears throat> les faits avec le contexte et qui est l'homme vous savez, c'est une des rares fois que euh, Décret présentait tant de, de, passion dans les débats, parce que c'était l'homme qui était au centre de la décision. C'est l'homme que les gens, les Nigériens, voient. Massaoudou, c'est qui Massaoudou Massaoudou, c'est l'artisan de l'avènement de, euh, de, de la Renaissance, parce qu'il était en 2011, n'oubliez pas, le directeur de campagne. Il a vraiment, avec brio, conduit la campagne du président Issoufou. Il était projeté ministre directeur de cabinet, donc il gérait des dossiers aussi. En plus de ça, certains dossiers très, que, ça, sensible. Hein. sensible, notamment la question de l'uranium et autres. En plus, vous avez vu, Issoufou l'a mené à la défense son passage aussi là, les gens ont apprécié ses collaborateurs à l'intérieur, parce que là, c'était les enjeux électoraux. Il faut quelqu'un de confiance quelqu'un qui peut relever le défi. Et voyez-vous encore aux finances, dans un contexte où le Niger est confronté à, une sécheresse financière émaillée par des réformes économiques. Qui pour faire cela Donc, voyez-vous un peu ça Massaoudou était en quelque sorte l'homme de confiance, l'homme de défi de Issoufou. Donc, c'est pour cela le fait qu'un décret présidentiel sur proposition du chef de gouvernement s'intéresse seulement à cet homme. Voyez-vous pourquoi les Nigériens se posent beaucoup d'interrogations alors pourquoi Parce qu'il y a des rumeurs, c'est vrai, la rumeur est là, les audios circulent qu'il il train de préparer, mais qui n'est pas ambitieux dans la vie Arriver à un moment de la vie, quand on sait que de quoi on est capable, il faut avoir des ambitions. Alors qu'aujourd'hui, nous, nous sommes dans la vie courante, un homme qui n'est pas ambitieux, c'est un homme qu'il faut, il faut, il faut, il faut se, euh, euh, hum, euh, comment on appelle, qu'il faut laisser à la touche. Donc, moi, je pense que ça, ce qui vient de se passer, est loin d'être une sanction. Et loin, euh, Sidikali vient de le dire, Il se fout, c'est vraiment c'est quelqu'un que si on lui reconnaît ses qualités, c'est en fait le respect des principes et la loyauté envers ses compagnons. Vous voyez, faites un, euh, euh, retour sur les cas de Kala, Ankoraou et Oumoudou aux premières heures du régime. Les gens sont applaudis il pensait que non, il va les jeter, mais quand même, il se fait preuve de loyauté envers ses amis. Mais aujourd'hui, il faut être prudent. Ah, il ne faut, pas se, il faut pas se jeter vraiment dans comme dit... <laughs> Non, oui, non, il ne faut pas se euh, jeter en, en, pâture dans les débats pour dire que... Voilà, parce que c'est que beaucoup d'observateurs attendent du PNDES ne va pas arriver. Le PNDES aujourd'hui, quelles que soient les difficultés qu'ils sont en train de vivre, le PNDES a su vraiment constituer ce noyau fort où il y a l'unité, le, principe, euh, le respect des principes, il y a aussi entre eux, c'est comme si c'est un pacte qu'ils ont fait et que personne, euh, l'esprit de, club, que personne ne va voir un beau jour entre eux. Aujourd'hui, c'est les gens qui, qui, qui, qui en parlent hein, pour dire que non, Bazoum était parti ici, il a, il a tenu des propos outragères envers Massaoud, Massaoud était parti comme ça. En fait, c'est les gens qui spéculent. Et on n'a jamais vu ce, ce déchirement se manifestait publiquement. Voyez-vous, c'est pour cela que le PNDS, aujourd'hui, ils ont mystifié le Nigériens. Et aujourd'hui, c'est ce que certains devront faire sur la scène politique. Il faut mystifier le peuple. Il faut avoir des atouts, des, ingrédients pour que à chaque fois, quand vous faites, vous posez un acte, vous êtes au-dessus de la compréhension euh, du citoyen lambda. Aujourd'hui, certains pensent que c'est une stratégie ce n'est pas euh, simplement une sanction ou bien quelque chose qui, un problème qui est là. Non, c'était une stratégie. Et les gens ont raison de penser cela. Parce que, <laughs> connaissant un peu euh, le PNDS, le PNDS a toujours de l'avance sur les autres. Garamadou, euh, bonsoir, bienvenue dans ce studio mm-hmm. du, studio Kalangou. Mm-hmm. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce réaménagement technique intervenu hier du gouvernement Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que mes deux amis ont dit parce qu'il faut dire que pour moi, le président de la République considère que Mossoud a fini son travail, il a nettoyé la maison du ministère des Finances, il a mis le ministère des Finances sur les rails, et maintenant, peut-être qu'il euh, euh, euh, y, a, un autre poste qui lui est destiné. Il a bien fait de rappeler, que qu'il y a quand même un poste qui est vacant la Cour des comptes, vous savez, le défunt du CIB est décédé, et c'est un poste qu'il faut forcément occuper. Mais il y a toute une procédure, n'est-ce pas, notamment le Haut Conseil de la magistrature, etc., etc., avant qu'on en arrive là. La rumeur dit que c'est cela, mais moi, je n'en sais rien. Vraiment, euh, mais tout ce que je sais, c'est que, en tout cas, Mossoud n'a pas été remplacé parce qu'il a mal travaillé au niveau du ministère des Finances. Ça, au moins, c'est la seule certitude. Maintenant, pour spéculer les vraies raisons, vraiment, seul le chef de l'État peut connaître les vraies raisons pour lesquelles, en tout cas, et son entourage, les vraies raisons pour lesquelles euh, il a été euh, remplacé. J'entends des gens dire limogé, mais je pense qu'il a été, tout simplement, il a fini son travail. Peut-être que, voilà, voilà, régulier. Et au niveau du. Voilà, c'est tout à fait légal. Il faut dire que. Ce que, que ça a surpris beaucoup de. Mais c'est le contexte. Oui, oui les gens ne s'attendaient pas. Mais il faut bien dire que euh, ça c'est la prérogative principal du président de la République. Oui, le président de la République est du Premier ministre. C'est-à-dire que le président de la République peut à tout moment changer un membre du gouvernement. Ça a eu lieu par le passé. Il y a eu beaucoup, quand même, vous avez vu le cas de, Ibrahim Yacoub, etc., etc. À un moment, le président peut décider de, de, de, de changer quelqu'un, de l'amener à une place ou d'enlever quelqu'un. C'est vraiment une de ses prérogatives. Et la discipline au sein du gouvernement de la Renaissance, c'est que les gens sont d'accord sur le principe que le chef peut décider à tout moment et on prend acte. Et maintenant, le chef peut aussi donner une autre responsabilité. Et là, avec vraiment toute la, en tout cas, la, solidarité gouvernementale dont on peut faire preuve, la personne prend encore en charge cette nouvelle fonction, comme Massoud l'a fait à tous les postes qu'il a été, euh, a été promis. Donc, je pense que les gens peuvent faire des spéculations, mais je vous assure que ce n'est pas la peine de mentir aux, auditeurs, <coughs> n'est-ce pas Personne ne peut vous dire vraiment voilà la raison. Mais une chose est sûre, la seule certitude, c'est que Massoud a été remplacé pas parce qu'il ne faisait pas bien son boulot au niveau du ministère Finances. Maintenant, la vraie raison, vraiment, euh, comme l'a dit Boukar, on n'est pas dans les secrets des dieux. Boukar Sédicali, vous avez quelque chose à ajouter euh, rapidement Oui, justement, il y a une autre hypothèse aussi, puisque nous sommes quand même dans, dans une logique quand même euh, d'hypothèse. L'autre hypothèse, c'est que si, si, si, je dis bien, le chef de l'État a véritablement sanctionné Massoudou, ça doit aussi servir vraiment en tout cas de leçon à beaucoup aujourd'hui qui s'estiment être vraiment au-dessus, vraiment en tout cas de l'autorité du chef de l'État. Ça veut dire que Issoufou, vient de prouver qu'il est capable de taper à tout moment et c'est n'importe qui. Donc ça, vraiment, c'est une discipline. Une discipline et une autorité qu'il vient d'instaurer. Et maintenant... Une discipline par rapport à quoi C'est-à-dire que, vous savez, tout à l'heure, on a parlé de l'esprit de club. Quand vous venez, par exemple, dans un cadre vraiment de club d'amis, vous, euh, euh, c'est-à-dire vous prenez le pouvoir, voilà, chacun s'estime être au-dessus vraiment de l'autorité du chef de l'État. C'est-à-dire, euh, le Nigérien, lui, l'allié, politique et les autres respectent les chefs de l'État parce que les chefs de l'État incarnent l'autorité. Vous comprenez Mais celui qu'ils connaissaient avant en tant que citoyen lambda, avec qui ils ont trimé, ils ont vraiment en tout cas traversé le désert pour arriver au pouvoir, n'a pas forcément ou n'est pas enclin vraiment en tout cas à se soumettre euh, à strictement à l'autorité du chef. Mais aujourd'hui, si je dis bien, c'est une hypothèse. Euh, vraiment, véritablement, si le chef de l'État a sanctionné Massaoudou, qui est quand même un des proches des proches, c'est un loyal, c'est un homme quand même, le bras armé du chef de l'État. Tout à l'heure, il a dit, Madougou vient de le confirmer aussi. C'est-à-dire qu'il a eu à peu près trois grandes missions. Et il a rempli les trois grandes missions. Sinon, quatre directeur de cabinet, directeur de campagne, pardon, directeur de campagne, il a véritablement organisé les élections. Toutes les élections qui, ont été organisées, c'est toujours Saoudou, le talent d'Achille, l'homme orchestre. Ministre de l'Intérieur, il a organisé les élections et on sait le résultat que ça a donné. Ministère de la Défense, on sait ce qui s'est passé. Directeur des cabinets des chefs de l'État, tous les grands dossiers. Et Massoud, aujourd'hui, s'il y a véritablement un homme qui est dans le secret du chef de l'État, c'est bien lui. Donc c'est pour vous dire que si euh, vraiment le chef de l'État l'a véritablement sanctionné, c'est que les autres aussi doivent vraiment, en tout cas, euh, se tenir vraiment au garde-boue, comme on dit. Personne n'est au-dessus du chef de l'État. Rapidement, vous avez 30 euh, secondes. Oui, en fait, c'est pour dire qu'aujourd'hui, seuls les prochains jours peuvent nous édifier plus en profondeur par rapport à cette. Mais de toutes les façons, on sait qu'on ne peut pas reprocher à Massaoudou d'avoir failli dans la conduite des missions qui lui sont assignées. Ça, aujourd'hui, tous les Nigériens, même si Massaoudou est très dur dans ses propos, on sait les Nigériens reconnaît en euh, voilà, le nigéria reconnaît en lui ses, ses qualités d'administrateur qui les résultats qui sont attendus de lui sont largement atteint et même parfois avec des bonus. Aujourd'hui, Massaoud, c'est l'homme du défi. Massaoudou, quoi qu'on le dise, aujourd'hui, c'est la pièce maîtresse de, de, de, du soubassement du régime de la Renaissance, parce qu'il a contribué à l'avènement. Il a été le directeur de cabinet. Et les missions, les trois missions qu'ils lui ont assignées, défense, intérieur, finance, Massaoud, c'est avec bureau. Même si on ne l'aime pas, on va le dire. C'est ça aujourd'hui. Et c'est ce que il faut essayer de, surpasser dans nos débats. Parfois, il faut être objectif avec soi-même. Quand on, une personne, vraiment, même si vous n'êtes pas, vous êtes, comme euh, euh, comment on appelle, euh, opposant. il faut savoir dire les choses. Moi, Saoud, aujourd'hui, moi personnellement, c'est quelqu'un que dans ses propos, je ne pas. Le force l'admiration. Oui, dans ses propos, je ne l'aime pas. Mais dans ses actes, de gestionnaire et d'administrateur, je pense qu'aujourd'hui. Mais il faut attendre. Massaoudou ne sera pas jeté en pâture comme les gens le, le pensent. Il se fout. C'est vrai, il se fout. Il demeure le seul commandant du navire. Et ça, c'est une leçon, un message fort qui a été lancé, comme l'a dit Sidiq. Peut-être, hein, si. C'est un message qu'il faut que les gens comprennent, y compris dans les rangs du PNDES, dans les alliés, et peut-être les opposants, parce que c'est le contexte parfois qui justifie certains bouleversements dans les événements. Parce qu'en Afrique aujourd'hui, ce n'est pas seulement le Niger que ça se passe. Il y a des, événements qui émaillent la vie de plusieurs nations. Et donc, moi, je pense que c'est tout à fait normal. Il n'y a rien de illégal de ce que le président a fait. Et ça arrive, il a rempli sa mission, il doit rendre le tablier et le président l'a remercié pas de, remercier de façon comme les gens le pensent. <laughs> C'est comme <laughs> s'il a décoré. Le rapport sur l'indice de perception de la corruption 2018 euh, classe le Niger 114e ex avec euh, l'Éthiopie et l'Équateur avec euh, une note de 34 euh, sur 100 parmi 180 pays du monde. En Afrique subsaharienne, le Niger est 20e euh, selon Transparency International. Pour Maman Wada, président de la section Niger de Transparency International, le Niger n'a pas avancé du point de vue de la moyenne comparativement à l'année 2017. On l'écoute. Si vous comparez l'indice de perception de la corruption de 2017 à celui de 2018, le Niger conserve la même note, 34 sur 100. Le rang a changé. Il était 117e sur 180 pays classés en 2017 et 114e sur 180 pays classés en 2018 ex avec euh, l'Éthiopie et l'Équateur. Du point de vue de la moyenne, le pays n'a pas avancé. Le pays a stationné et quand on stationne, on regresse. Du point de vue du rang, le pays a évolué et certainement parce que beaucoup de pays sont tombés. La lutte contre la corruption doit se faire. La prévention d'abord. Former les jeunes dans le sens de la citoyenneté, dans le sens de l'intégrité, dans le sens de l'honnêteté. Il faut les sensibiliser, de dénoncer la corruption et eux-mêmes de refuser la corruption. Et enfin, c'est d'appliquer les lois. Boukara Sedikali, comment expliquer cette euh, place du Niger malgré l'existence de tous les instruments disponibles pour lutter contre la corruption Moi, je pense qu'il ne faut pas trop vite aller en besogne pour euh, dire que le pays n'a pas avancé. Je pense que par rapport à l'année dernière, le pays a avancé. Puisque, euh, vous savez, en matière... Euh, d'indices, de collecte d'indices et même de, de classement, même un point de plus, ça vraiment ça a un sens. Ça faut ce que ça oui, parce que c'est pas comme ça, c'est pas c'est pas fortuit. Il y a des études, il y a des collectes vraiment en tout cas de, des statistiques, il y a tout un travail qui se fait en, euh, qui se fait au préalable qui détermine votre classement. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas trop négliger cela, mais il faut toujours capitaliser ce qui est positif. Voilà ce qui nous manque au Niger. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout simplement sortir pour dire que non, on n'a pas avancé. Le fatalisme n'a jamais arrangé les choses. Vous comprenez Aujourd'hui, eh, le meilleur service qu'on puisse rendre à ce pays, c'est que eh, dans le cadre de la lutte contre la corruption, il faut toujours garder en esprit où est-ce que nous sommes actuellement. Qu'est-ce qu'on avait fait hier et qu'est-ce qu'on doit faire demain ça vous permet de savoir au moins, même si vous ne savez pas ce que vous allez faire demain, quand même vous savez là où vous étiez hier et ce que vous avez, vous là où vous êtes aujourd'hui. Là où nous sommes aujourd'hui, c'est que nous sommes 114e. Nous avons avancé par rapport à 2017, c'est clair. Donc, et des pays comme l'Éthiopie <coughs> aujourd'hui, c'est en Afrique quand même, ce pas des pays qu'il faut beaucoup négliger. L'Éthiopie aujourd'hui, c'est une référence en Afrique. Mais la corruption, malheureusement, ce n'est pas lié forcément à l'état de pauvreté d'un pays. Plus le pays est riche, plus la corruption aussi se développe, malheureusement. C'est-à-dire c'est comme si c'est vraiment un, cancer qui gangrène un tissu. Donc, maintenant, si vous essayez de prendre par exemple le cas du Niger, tout à l'heure Wada vient de le dire, on doit lutter. Mais le problème du Nigérien, c'est que tout le monde est corrompu. Il ne faut ah. pas avoir, je m'explique, oui, tout à fait, même nous les journalistes, nous sommes corrompus vous la corruption aujourd'hui est devenue un phénomène dans le milieu des journalistes. Si vous n'attrapez pas votre enveloppe, vous ne faites même pas correctement votre reportage. Vrai ou faux C'est-à-dire même aujourd'hui, les, c'est-à-dire que même les services de presse, les entreprises de presse, en prenant certains bactus, préfèrent se mettre au service de X ou de Y d'un homme politique qui vient par-dessus subventionner ou alors mettre vraiment quelque chose dans cette presse. C'est-à-dire que c'est devenu un phénomène. Aujourd'hui, je débarque dans la rédaction d'un journal, j'enlève quelque chose, le lendemain, un article favorable à moi ou qui attaque quelqu'un, qui incrimine quelqu'un, va sortir. C'est pour vous dire, c'est juste un exemple. Et la corruption à grande échelle, c'est que notre société est corrompue, mais le problème, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est-à-dire que le courage de dire que nous sommes corrompus. Tant que vous ne dites pas, vous, vous souffrez d'une maladie et que vous n'êtes pas à mesure de dévoiler votre maladie, c'est que vous allez souffrir à l'interne, vous allez mourir à petit feu, dans le silence total. Et le jour où la mort va se venir, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune autre solution. Donc c'est pour vous dire que aujourd'hui, par exemple, le classement même de la corruption, il y a le classement, c'est-à-dire la corruption à petite échelle, qu'on voit par exemple les policiers qui prennent 10 000, 5 000, 3 000 en arrêtant, en sifflant quelqu'un. Vous prenez par exemple la grande corruption qui se manifeste aujourd'hui dans le secteur minier et dans le secteur par exemple des PPP et des grandes vraiment décisions. Donc ça veut dire que si la grande corruption est combattue, la petite doit vraiment être combattue plus que même la grande, parce que c'est à partir de la base que ça commence. Donc moi, je pense plutôt qu'il faut positiver et regarder vraiment l'avenir avec beaucoup plus vraiment de responsabilités et trouver vraiment les moyens pour combattre cette corruption. Gary Amadou, les institutions et mécanismes qui luttent contre la corruption au Niger fonctionnent discrètement. Le manque de communication pourrait-il être un facteur qui bloque la lutte contre ce fléau oui, c'est fort, fort possible, mais dans tous les cas, je crois que ce que Cédric a dit est vrai. Le Niger a gagné quand même un point. On ne peut pas faire comme si ce, point-là n'existe pas, n'est-ce pas Mais oui, on a avancé. Mais quand même, le Niger est mal classé. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit nous amener à nous interroger, qui doit amener le citoyen à s'interroger, mais aussi les autorités à, s'interroger. Parce que la corruption, c'est plusieurs domaines. C'est non seulement le domaine de l'argent, mais c'est autre chose encore, dans le cadre des examens, etc. etc. Tout ça, c'est la corruption. Vous comprenez Le fait de favoriser les faux diplômes tout ça, c'est dans le cadre de la corruption, c'est vraiment global. Mais le problème de la corruption, c'est qu'entre, par exemple, si je prends la question de l'argent, entre le corrupteur et le corrompu, c'est d'abord un accord. Bon, qui va dénoncer qui C'est celui qui donne l'argent ou c'est celui qui reçoit Mais c'est impossible ça. Et surtout, quand tu donnes l'argent. C'est difficile à déceler. Non, c'est difficile. C'est-à-dire que. Difficile. Quand, je, quand je décide que je vais avoir un service avec toi et que je te glisse 10 000 sous la, sous la table, c'est pas que je vais signer un document où j'ai pris 10 000 sur la base duquel je... Non la corruption, c'est toujours un truc discret entre celui qui prend. Le corrupteur et le corrompu. Mais c'est clair, mais c'est évident. Donc, il y a une entente tacite qui fait que c'est compliqué. Maintenant, peut-être que ce qu'il faut voir, c'est que dans le, les mécanismes, dans le cadre de la répression, de la euh, corruption, ce que les institutions que le gouvernement a mis en place doivent fonctionner. Et quand elles fonctionnent, elles doivent communiquer. C'est peut-être que cette, absence de, cette absence de communication qui fait qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien. Pourtant, chaque jour que Dieu fait au niveau des tribunaux, il y a des procès pour détournement, il y a des procès pour malversation, etc. etc. Il y en a plein. Mais je ne sais pas comment est-ce que Transparency fonctionne, mais moi j'ai pour principe ce que quand une institution internationale donne un classement, je ne vais pas me mettre parce que je mettre à vilipender cette institution. Non, je prends acte. De la même façon que quand on dit que l'indice de, développement humain, le Niger est dernier, je prends acte et je dis ce sont des classements qui amènent à réfléchir. De la même façon, quand on dit que. C'est des repères selon vous. Mais c'est des repères. Mais c'est important l'indice de transparence. C'est important l'indice Mo Ibrahim. C'est important l'indice de, Comment on appelle ça là euh, euh, euh, L'IDH. Voilà, l'IDH. C'est important. C'est-à-dire que chaque fois qu'un classement est là, au lieu de se mettre à vilipender ceux qui le font parce que ce sont des experts qui le font, n'est-ce pas Ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut réfléchir, voir comment est-ce qu'il faut faire pour inverser la tendance. Je pense que c'est vers ça qu'on doit, qu'on doit tendre. Et je pense que ce classement-là, même le Niger a progressé d'un point, c'est très bien, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'efforts à faire pour que, le, pour que le Niger puisse vraiment, en tout cas, avancer de façon drastique, comme il l'a fait lorsque Transparency a pris en compte la création de la Halcia et la création d'autres institutions pour lutter contre la corruption. Issa à votre avis, existe-t-il une ou des stratégies pour véritablement réduire la corruption au Niger c'est très simple. Le Niger s'est engagé. Mais la, place qu'on occupe dans ce présent rapport, moi je pense que c'est la place que nous méritons au regard de ce que nous sommes en train de faire dans nos pays. Voyez-vous, quand on avait créé euh, la Halcia, la ligne verte, le Niger a fait un bond dans le classement. Mais qu'est-ce qui pose problème C'est même les textes de ces institutions. Aujourd'hui, par exemple, moi je suis mal placé euh, d'analyser peut-être euh, que les questions judiciaires et pénales parce que je ne suis pas spécialiste. Mais je regarde dans la forme. Par exemple, la Halcia. Mais la Halcia, moi, pour moi, la Halcia, on devrait revoir le texte Il faut que la Vous voulez dire que le Niger n'a pas su capitaliser euh, non, les acquis, euh, les, efforts mais c'est pas qu'il n'y a pas eu des efforts, c'est pas une façon de dire que le Niger n'a pas pu capitaliser, mais le Niger devrait faire un peu plus. Par exemple, pourquoi je dis ça Je prends le cas du FCC au Nigeria, qui a les moyens d'instruction d'ouvrir une information judiciaire aussitôt que les faits se sont avérés vrais de corruption et de détournement. On peut saisir saisir mettre sous scellé les biens de la personne qui sont vraiment acquis frauduleusement. C'est ça. Aujourd'hui, même si la LCA fait des enquêtes, il faut l'opportunité de, poursuivre l'affaire, revient au procureur. Alors, quand on sait que euh, notre système judiciaire, je ne dis pas qu'elle est défaillante, mais quand même, elle, <laughs> elle mérite d'être revue parce que c'est le système francophone. Nos procureurs ne sont pas aussi indépendants dans le système anglophone comme ils sont choisis par leur père. C'est-à-dire, c'est toujours des fonctionnaires de, de l'administration publique, donc ce qui veut dire que vous avez un chef à qui vous devrez obéir. En fait, il y a tout cela que moi, je pense qu'il faudrait voir. Il faut aller un peu plus. On a créé tous ces instruments. Aujourd'hui, les gens disent que la halsia ne travaille pas, mais ce n'est pas que la halsia ne travaille pas. La halsia ne peut pas dépasser et ne peut pas étendre ses actions au-delà de, de, ses statuts. Alors, il faut, que, il faut voir un peu ce que euh, euh, on peut faire pour faire évoluer la situation. Maintenant, il y a un point que je voudrais un peu ajouter, c'est que Sidique disait euh, par rapport à, la, corruption, la petite corruption. Franchement, c'est là qu'on devrait attaquer, mhm. au bas Gesser. Pourquoi Il y a un fait que moi, j'étais témoin. Et je vais raconter ça rapidement. Vous voyez, quand vous partez dans une banque pour retirer de l'argent, vous êtes dans la queue au niveau du guichet et vous voyez des gens qui viennent récupérer de l'argent qui, après avoir pris leur argent, se permet de donner de l'argent pour des services qui ne devraient pas donner de l'argent. Et c'est ça que amène parfois à ceux qui déjà amènent des papiers et la personne, vous le fermez les yeux sans qu'il le sache. Ils peuvent amener des papiers, des faux chèques. Vous, vous êtes habitué à prendre. Voyez-vous, c'est le mal. Ça, ça est en train de, prendre, c'est-à-dire la performance. Ça donne l'envie. Non, non, en fait, c'est ça, là, quand ça continue, c'est nos entreprises et nos administrations qui ne seront plus performantes. Les gens auront les yeux bandés. Ils ne seront plus dans cette rigueur de respect de, de l'éthique de leur boulot. Et c'est ça qui est dangereux. Il faut que nous combattions cela. Acceptons d'être corrompus maintenant. Il faut que l'agent qui est chargé de faire le diagnostic, que nous l'acceptions d'abord. Nous savons que nous, sommes gangrénés par euh, quelque chose de mauvais. Et que nous reconnaissons à l'agent qui est chargé de faire le diagnostic afin de nous proposer des solutions. Si tant qu'il n'y a pas ce concours et cette synergie de compréhension entre les Nigériens et les institutions qui sont chargées de mener la lutte, je pense qu'il y a toujours du chemin à faire et que c'est bien possible de passer. Si d'autres, je l'ai toujours dit, si d'autres ont pu vraiment arriver, par exemple, quand vous prenez l'exemple du Botswana, mais c'est magnifique ce qu'on est en train de faire dans ce pays. Aujourd'hui, il y a une culture d'intégrité. Même quand vous donnez de l'argent, dans la rue comme ça à quelqu'un qui devait vous rendre un service, cette personne refuse de prendre l'argent parce que la personne va vous dire que non, c'est mon travail de vous faire cela, ceci et cela. Je n'ai pas besoin de prendre votre argent. Voyez-vous Et donc, ça met en valeur des qualités de, du citoyen et c'est ça qui fait avancer un pays. Boukar Sedikali, vous avez quelque chose à, Je pense que si on parle de la définition même de ce qu'on appelle la corruption, c'est-à-dire, tout à l'heure, il vient de, donner un exemple euh, qui concerne les banques, les secteurs bancaires. Euh, c'est vrai, les secteurs bancaires ne sont pas les seuls, mais moi, j'ai l'habitude de dire que tous les secteurs, chaque secteur souffre de, son, de sa propre forme de corruption. C'est clair, hein? Euh, tout le monde le sait. Donc tout à l'heure, j'ai rappelé à justice, titre vraiment le cas qui concerne les journalistes, mais il y en a beaucoup. Dans le secteur de la justice, il y en a, les acteurs, le secteur des finances, il y en a, dans le secteur vraiment, en tout cas, de la sécurité, partout où vous trouvez ce phénomène qui s'adapte au contexte. C'est-à-dire que c'est un phénomène vraiment, en tout cas, qui s'adapte à chaque contexte. Voyez-vous, parce qu'on a l'habitude de dire vraiment, en tout cas, ce dicton, vraiment qui, qui est assez abyssal et vraiment, en tout cas, obscène. On dit la chèvre brute là où elle est attachée. Voyez-vous, ça c'est vraiment <laughs> terrible. Quand vous avez une responsabilité, c'est du village, c'est du quartier, c'est les amis, c'est les parents, les connaissances qui viennent vous dire félicitations. Allah Ça veut dire que Ça veut dire quoi en, français ça, veut dire que, félicitations pour avoir trouvé de quoi bouffer. Ça veut dire que au-delà de votre personne, c'est tout le monde qui s'attend vraiment en tout cas au retombées de ce poste. Bref, donc euh, en ce qui concerne par exemple euh, la, manifestation même de la preuve, par exemple en matière vraiment de, de corruption, puisqu'on dit c'est vraiment c'est un phénomène qui se passe dans la plus grande clandestinité, qui permet à un individu d'acquérir des services, voyez-vous, de, quelqu'un d'autre, c'est-à-dire euh, euh, le service qu'on ne mérite pas par le trichement de l'argent ou vraiment d'un bien quelconque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au Niger, là où nous sommes, nous ne sommes pas capables de déceler véritablement, c'est-à-dire la, euh, la, corruption. Même la corruption qui se passe à grande échelle, c'est-à-dire dans les sphères assez élevées, c'est très difficile aujourd'hui. On entend des grandes affaires, on parle de 200 milliards, 26 milliards, ceci, cela, quelque chose guette, des trucs comme ça, mais personne n'a les preuves. On le dit seulement pour se fantasmer. Voyez-vous, politiquement, pour parler de ça, ça, ça, ça fait plaisir de tirer sur quelqu'un vraiment à boulet rouge, un homme politique, c'est-à-dire réussir vraiment en tout cas à affecter son image. Euh, politiquement, c'est correct, mais c'est que quand vous êtes vraiment devant des instances techniques ou des instances judiciaires, vous ne pouvez pas le prouver. C'est malheureusement c'est ça le cas de la corruption. Aujourd'hui, le Niger, par exemple, euh, il a dit, le Niger a fait un grand bond. Par exemple, au début, la Harcia, c'était une institution qui est créée par arrêté ministériel, par arrêté du ministère de la Justice. C'est juste euh, vraiment, en tout cas, une institution qui n'a que le niveau de service. Aujourd'hui, la harcia non seulement, c'est-à-dire qu'ils ont rehaussé le niveau, c'est-à-dire vraiment en tout cas euh, de la halcia en le créant par décret présidentiel. Vous comprenez Ça aussi, c'est inavancé. Il faut noter, c'est des actes qui comptent beaucoup dans la perception vraiment des indices. Demain, notre souhait, c'est que la Halcia soit érigée vraiment en institution légale, une institution de la République. Vous comprenez Comme l'Assemblée, comme c'est cela. FCC aujourd'hui, FCC, dont il parle, c'est aujourd'hui FCC, c'est une institution euh, vraiment, en nationale et républicaine. Elle est au-dessus de toutes les institutions de la République. Ça veut dire qu'elles peuvent intervenir qu'ils veulent, sanctionner qu'ils veulent. Tout le monde tremble devant les institutions. Mais aujourd'hui, quand même, le président de la nommé par décret, L'ALCIA est créée par décret. Et vous avez en face de vous ceux qui sont le plus trempés dans la corruption, c'est des hommes politiques le plus souvent. Vous ne pouvez pas venir aujourd'hui vraiment, en tout cas, prendre comme ça et vraiment arrêter un homme politique quand même de la, qui est de la mauvaise présidentielle. C'est pas facile. Donc il y a des obstacles majeurs. <laughs> Sur le plan sécuritaire, la semaine a été émaillée de drames. D'abord, vendredi dernier, sur le poste de police de Tilakaina, à 8 km de Tilaberi, qui a été attaqué par des hommes armés non encore identifiés. La police a tué un assaillant et enregistré quelques blessés. Dimanche, ce sont des coupeurs de route qui ont dépouillé des passagers de retour du marché hebdomadaire d'Ikrafan, toujours dans la région de Tilaberi. Lundi, quatre villageois tués, des maisons et voitures brûlées par des présumés éléments de Boko Haram autour d'un périmètre agricole à 3 km de Bosso, région de Difa. Et hier jeudi, c'est un véhicule militaire qui a sauté sur euh, l'axe Ayoru Inates, faisant quatre blessés. Le vice-maire d'Inates, interrogé par le studio Kalangu, a déclaré l'accident, a déclaré que l'accident a eu lieu à un endroit non habité empêchant ainsi d'avoir des témoignages sur ce qui s'est réellement passé. Issa avez-vous d'autres informations sur euh, ces différents événements malheureux Bon, écoutez, comme euh, par exemple pour ce qui s'est passé à Difa, ce sont des présumés, ils ont dit combattants de Boko Haram, mais il, y a d'autres personnes qui parlent de, de bandits de grand chemin parce qu'ils pensent que aujourd'hui il y a certains qui Profite de cette situation. Et c'est tout à fait normal dans un contexte d'insécurité pareil, euh, où la porosité, parce que on va le dire même demain, parce que certains disent que pourquoi on, met en cause euh, la question des frontières. Parce que c'est là au niveau, la porosité des frontières aujourd'hui fait en sorte que même si le Niger, par, le Niger fait des efforts, le Niger ne peut pas tout contrer. Quand vous prenez par exemple ce qui se passe au niveau de la région de Difa, dans pratiquement dans la zone du, lit du lac Tchad, mais qui, qui existe réellement Quel État Si ce n'est pas le Niger et le Tchad. Le Nigeria n'existe pas pratiquement. Ils sont, ils sont faibles. La Nigerian Army Force aujourd'hui, si c'est sur elle qu'on doit compter pour sécuriser la frontière, depuis fort longtemps, Difa est dans les mains de Boko Haram. De ce côté également, c'est ça dans la zone de Gourma. Le, Mali, de son côté, n'existe pratiquement. L'État malien n'existe pas dans ce territoire. Ici, l'armée burkinabé a du mal. Donc, c'est bien normal qu'on assiste à... Ça existe au Mali, il n'y a que euh, des, des, attaques euh, ponctuelles qui se font un peu partout, dans le centre et... L'État malien ne dépasse pas Mopti Mokhtar. on connaît la réalité de ce pays. L'État malien en tant que tel ne dépasse pas la zone de Mopti, le centre du Mali. Tout ce qu'il y a ici, vers le nord, euh, aux frontières du Niger, Burkina, dans la zone du Gourma, l'État malien n'existe pas. L'État malien a du mal à se positionner à, son territoire. Et c'est ça qui complice aujourd'hui euh, le travail de sécurisation de la frontière, surtout pour le Niger. Aujourd'hui, dans la zone, pour le cas du Gourma, le seul État qui existe, c'est le Niger dans la zone du Burkina, l'armée a du mal parce qu'ils ont, ils ont délaissé cette zone. C'est aujourd'hui, ils cherchent à, contrôler une zone que vous avez délaissée, dont vous n'avez pas beaucoup d'éléments d'appréciation pour comprendre ce qui se passe réellement. Normal, c'est normal qu'il y, ait des failles sécuritaires. Aujourd'hui, c'est qu'il y a lieu de faire. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une synergie d'action entre les populations et les forces de défense parce que c'est des bandits le plus souvent qui, profitent de cette situation d'insécurité. Il faut que dès qu'il y a des personnes vraiment qui ne sont pas de nature à être euh, vraiment euh, préserver la quiétude sociale Vous dans la dire que les habitants, les populations doivent collaborer avec oui, euh, en dénonçant vraiment tous les actes suspects euh, par rapport à, leur quotidien. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, quand vous avez vu le cas de DIFA, pour finir, ils, ont, ils sont partis avec de la production du pauvron. Alors, qui dit On dit c'est des présumés. Est-ce que ce ne sont pas C'est que certaines populations. Oui, présumés. Parce qu'il y a des gens qui disent que eux, ils ne sont même pas d'accord si ce sont beaucoup Haram. C'est pour cela qu'on doit investiguer. On doit faire en sorte qu'il y ait ce rapport vraiment très fructueux entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Parce que ils en ont marre à ce que des gens viennent s'accaparer de leur richesse en un rien de temps. Boukar Sedikali, comment expliquer cette euh, recrudescence euh, de l'insécurité quelques jours seulement après les offensives des armées nigériennes et étrangères dans le bassin du lac Tchad et dans la région des Tillabéri moi, je pense que, vu le tableau que vous venez de brosser, euh, c'est-à-dire que la situation, on peut dire qu'elle n'est pas réalisante. C'est-à-dire que euh, c'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur. Mais personnellement, l'idée que j'ai vraiment en cas de ce phénomène, c'est que Boko Haram est aujourd'hui quand même réduite vraiment à sa portion congrue. C'est clair, les armées sont parvenues vraiment en tout cas à vaincre euh, dans une certaine mesure n'est pas, même si elle n'est pas vraiment, en tout cas, totalement euh, éradiquée, quand même à vaincre Boko Haram. Mais le problème d'insécurité, vous savez, les anciennes rébellions qui sont passées dans notre pays nous ont édifiés largement. Dès qu'il y a un phénomène d'insécurité euh, comme ça, il y a toujours ce qu'on appelle l'insécurité résiduelle l'insécurité résiduelle, mais aussi aujourd'hui, il y a une nouvelle forme que cela est en train de prendre. Il y a des business liés vraiment, en tout cas, à cette insécurité. Le cas de Boko Haram, par exemple, aujourd'hui. Beaucoup de petits groupes aujourd'hui qui se procurent une, deux ou trois armes, voyez-vous, qui s'attaquent à des villageois paisibles ou bien, par exemple, qui coupent les routes pour arrêter un véhicule, autres là. Le plus souvent, ce sont des petits bandits. C'est des rapines, voyez-vous, mais qui sont mis sous le compte de Boko Haram. Vous comprenez Moi, personnellement, j'ai toujours dit dans les grandes rencontres, vraiment au niveau, par exemple, international, qu'il faut toujours faire le distinguo entre les actions, par exemple, d'envergure vraiment, en tout cas, importante que mène Boko Haram, les attaques vraiment de compagnies, des villes hautes là, par rapport aux actions ponctuelles que certains petits bandits, vraiment, en tout cas, qui se permettent de, de poser, les actes qu'ils posent, vraiment, en tout cas, pour, juste pour des besoins vraiment, en tout cas, euh, euh, de business, de gagner quelque chose. Maintenant, en ce qui concerne, par exemple, euh, l'État du Niger, je pense qu'il faut aussi se rendre compte que aucun État au monde ne peut mettre derrière chaque citoyen vraiment un soldat. Ce n'est pas possible. Ça, vraiment, c'est de l'illusion. Vous savez, aujourd'hui, c'est des petits groupes de 3 personnes, 4 personnes. Avant-hier, dans la zone de Filengue, ils sont venus dans un village. C'est quelques motos. Ils ont juste euh, terrorisé la population. Ils ont cherché une notabilité de, du village. Ils ne l'ont pas trouvé. Ils se sont repliés. C'est-à-dire que on n'a pas de moyens de surveillance qui nous permettent aujourd'hui de surveiller le mètre carré de notre territoire. Même si aujourd'hui, on, sait, euh, de, de, prendre vraiment en compte cet aspect, même les États-Unis ne peuvent pas le faire. Bah, vous, malheureusement, nous, aujourd'hui, le seul problème dont on souffre, c'est que nous avons une institution internationale qui a vraiment un volet militaire qui, vraiment, en tout cas, s'il est opérationnel, vraiment, en tout cas, ça va, G5 Sahel. Mais malheureusement, aujourd'hui, euh, cette institution peine à mettre vraiment, en tout cas, en marche le volet militaire, vraiment, en tout cas, euh, qui a pour mission de pacifier vraiment, en tout cas, de nettoyer la zone vraiment, en tout cas, du Mali, du Niger, du Burkina jusqu'au Tchad. Gary Amadou, en plus euh, des endroits attaqués habituellement, les terroristes trouvent des nouvelles cibles euh, comme euh, à par exemple. Peut-on parler de failles dans le système non, il n'y a pas de faille dans le système. C'est-à-dire que ce que a dit est, vrai. C'est-à-dire que ceux qui pensent que la, la, sécurité totale existe se font des illusions. Ce n'est pas possible. Parce que si elle existait, les États-Unis, ils ont la NSA, ils ont la CIA, ils ont le FBI, ils ont tout, mais on a fait le 11 septembre, on a fait les attentats de Boston, on a fait etc., etc., on a fait la fusillade dans les discothèques, etc., etc. Donc, la sécurité totale n'existe pas. Mais la chance que nous, nous avons par rapport aux autres pays de la sous-région, il l'a rappelé, c'est que le Niger est le seul pays qui garde l'intégrité de son territoire. Le Niger est le seul pays où les forces de défense et de sécurité sont pratiquement éparpillées partout. Le Mali, c'est pratiquement, ça fait pitié. Le Nigeria, le Nigeria c'est une honte. Mais c'est une honte le Nigeria. Ouais, quand Boko Haram attaque des casernes, les militaires fuient on vous dit qu'elle a pris Baga, elle a pris ceci, ceci, cela, ça fait. C'est une honte. Le Burkina, il n'existe pratiquement pas. Parce qu'il n'y a pas une semaine pratiquement ou, euh, deux, un mois où il n'y a pas d'attaque au Burkina. Vous comprenez Et donc, même cette semaine. Donc, le Niger est le seul pays en état, en tout cas à l'actuel, et tous les spécialistes vont le dire, qui réussit. Ça, fait, ça veut dire que c'est beaucoup d'efforts qui sont en train d'être consentis dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Niger. D'abord, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et puis, le, seul, le, le Niger est le seul pays où l'État est pratiquement présent partout depuis les années indépendance. Dans les autres pays, ce n'est pas le cas. le cas du Mali, où pratiquement le Nord est délaissé, ce qui n'est pas le Niger. Aujourd'hui, aujourd'hui, au Niger, on sait que le Nord bénéficie du maximum d'investissement par rapport aux autres, aux autres contrées du Niger. Voilà, nous sommes au terme de ce forum de Studio Kalangou. Merci à nos invités, Boukara Sedik Ali, journaliste et analyste politique, Gare Amadou du quotidien La Nation et Issa Madougou de la radio et télévision Ténéré. Merci aussi à tous les auditeurs pour votre fidélité au programme de Studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h15 avec Hawa Ousmane pour le forum en Hausa et Balkis Hamidou pour le forum en Zarma. Merci, au revoir.